Je prends le E pour écrire avec le sourire. Le C pour compter sur mes doigts sans tricher. Je prends le O d'oublier. Ça peut arriver, je prends le L des leçons après la récréation. On vous laisse le E pour écouter notre chanson. auditeurs yi déglu Safina ci 98 point 2 internautes yi ñi sétane ci Safina TV machallah ñu ñëwaat suñu série d'activités yi ñi def euh, concernant l'institut institut El Hadj Omar Foutiyou Tall euh, boobu ba léegi macha ñu do nek ci préscolaire bi di xol naka lay jàngalé naka la yëkëté yëkkatee naka la ñuy tegee tey nag euh, surprise way ñu ñëw doxantu fi ci classe yi. fekk fi nag euh, maîtresse jàllo euh, macha allah moom ak ay ndongom ñu xool nu muy doxalee ñu xool naka lay tenir classe am ñu door a duwéyal ndil waxtaan bi incha allahu taala. waaw ci loolu ñu ñëw tey fekk fi madame Diallo ci classe am préscolaire bi fii macha allah euh, ñu xool du doon surprise mais dañuy toog jàkkaarloog moom ñu bàyyi ko mu déroulé activité am ñu xool njàngale bi naka lay doxee madame bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour ma mère. Comment ça va? Et vos parents? Qu'est-ce que vous avez dans la main? Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Qu'est-ce que vous avez dans la poche? Qu'est-ce que vous avez dans le nez? Mon nez? Yorumadara? C'est dara Allez les enfants, les mains en haut. Les mains en bas. Les mains devant. Les mains derrière. Allez les enfants, montrez-moi les cheveux. Montrez-moi la tête. Montrez-moi les yeux. Montrez-moi les oreilles. Montrez-moi le nez. Montrez-moi la bouche. Montrez-moi la langue. Montrez-moi le menton. Montrez-moi le cou. Montrez-moi le tronc. Montrez-moi le ventre. Montrez-moi le nombril. Montrez-moi les mains. Parlez fort. Montrez-moi les pieds. Les pieds. Les pieds, les pieds. Allez, assis les enfants. On va faire éducation musicale. Donc on va chanter Je suis sage. Allez. les enfants, on chante Je suis sage. Je suis sage. Uh-huh. Allez les enfants, on va faire éducation, musique, Allez, on compte jusqu'à 5. Un, Un. Uh-huh uh Quel est le cri du chat? Quel est le cri du chien? Quel est le cri du mouton? Ils sont en train de montrer le mouton qui, qui est là-bas au tableau. Le mouton, il fait bé, bé. Allez, maintenant, on va chanter Je suis sage. Je suis sage. Je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Fatima, retourne-toi. Retourne-toi. Allez, Manda Yaru. Mandama Yaru. Uh-huh. Uh-huh. De ma maîtresse. maîtresse. Aha. Aha. Aha. Aha. Mhm. Ding dong dong. Allez, on va chanter. Bonjour, salut les amis. Qui qui est est là Nous voilà. Bonjour. Bonjour. Salut les amis. Salut les amis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici. Bienvenue ici. Allez, continuez. Qui est qui? Qui est qui? Qui est là?

commencer. encore. Jamais on a vu On va faire langage. Langage. Langage. Donc, pour faire le langage, l'idéal, c'est de s'asseoir sur les, sur les nattes. Donc, je vais prendre les nattes, on va s'asseoir sur les nattes. waaw beaucoup d'auditeurs qui Safina FM 98.2 internautes qui YouTube Safina TV machallah, comme nous l'avons dit ci introduction bi ñëw fii ci institut El Hadji la maîtresse qui est prescolaire, bi di tenir ses classes. Nous gis nag belle présentation de Mme Diallo def ak euh, ndongo am activité qui xam war nañ dérouler bu nous ko fait, ci nous lañ ko war a defee léegi ñu Diallo mu est que tey Qu'est-ce que vous avez dans la main? Qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Qu'est-ce que vous avez dans la poche? Qu'est-ce que vous avez dans le nez? Mon nez? est, propre. Allez, assis les enfants, assis. Très bien les enfants. Donc, on va faire langage. Très bien les enfants, on va faire langage. Donc, euh, étant donné qu'on est en début d'année scolaire, donc on va faire la présentation pour ceux pour se connaître, parce qu'on est en début d'année scolaire, on ne se connaît pas. Donc, il est nécessaire de faire la présentation pour qu'on se connaisse tous. D'accord Donc, je vais intéresser les élèves, hein, quelques élèves. Ils vont se présenter. Donc, c'est euh, un lève-toi. Donc, tu vas te présenter. Bonjour. Bonjour. Mmh. Bonjour les amis parle Bonjour les... Bonjour les amis. Voilà, comment t'appelles-tu Je m'appelle Serine Salunjai. Serine Salunjai, tu as quel âge J'ai trois ans. Serine Salou, tu es dans quelle section Je suis en petite section. Serine Salou, comment s'appelle ton école Mon école s'appelle Elage Amak Allez, on t'appelle les mains pour service Léo. Oh. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Sina Malo. Parle fort. Je m'appelle Je m'appelle Sina Malo. Je, tu t'appelles Seydina Ousmane Seydina Ousmane, tu as quel âge J'ai 3 ans. Seydina Ousmane, tu, es dans quelle section À petite section. Seydina Ousmane, comment s'appelle ton école Mon école s'appelle Alassane Très bien. Notre école s'appelle El Omar K. Donc, Seydina Ousmane s'est présentée devant ses amis. Allez, va t'asseoir, Seydina. Bonjour. Bonjour. Mhm. Bonjour, ma classe. Bonjour, les amis. Très bien. Comment t'appelles-tu Je m'appelle Sidia Bassam. Cher Sidia, tu es à quel âge J'ai 3 ans. Cher Sidia, tu, es dans quelle section je suis à petite Très bien. Cher Sidia, comment s'appelle ton école? Mon école s'appelle ES Très bien, les enfants. Bonjour. Bonjour, bonjour maîtresse. Mhm. Bonjour, les Très bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Adja Très bien. Adja Sokoto, tu à quel âge? J'ai 12 ans. Très bien. Adja Sokoto, dans quelle section? En petite session. Très bien, je suis en petite session. Aya Soko, comment s'appelle ton école Mon école s'appelle Ella Omar. Très bien, mon école s'appelle Ella Omar Tal. Donc c'est bon, donc on vient de faire le, le langage avec les enfants. Ah, macha allah ah, nous ñu ko seetaanee eh, ci Safina TV lañ ko Safina FM 98.2. Eh, maîtresse Diallo su ma la waxoon nga un petit résumé eh, de ce qui s'est passé dans la classe lan nga bon je me présente d'abord madame Diallo éducatrice préscolaire euh, je suis la maîtresse de la petite section ici donc aujourd'hui euh, d'abord je, commencerai d'abord par remercier notre responsable moral, euh, monsieur, euh, notre imam Kernoban, euh, pour cette belle initiative donc, qui nous permet de montrer quelques activités ici en classe. Donc aujourd'hui, les enfants ont fait d'abord éducation musicale. Donc on a chanté, vous avez vu les enfants ont chanté. Et en chantant, on a fait un peu de logico mathématiques Parce que je leur ai dit de montrer en haut, en bas. Donc ça, c'est le logico-mathématique. Donc les, les, enfants reconnaissent en haut ce que c'est en haut et ce que c'est en bas. Devant comme derrière. Donc ça, c'est l'activité logico-mathématique. Donc après l'activité éducation musicale, ils ont fait logico-mathématique. Et après, on a fait aussi euh, l'initiation scientifique technique initiation scientifique technique, parce que les enfants reconnaissent les organes du corps humain. Vous avez vu, ils ont montré euh, les cheveux, la tête, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les, les mains, les pieds, tout ça, ils ont montré ça. C'est pour dire que les enfants reconnaissent les organes du corps humain. Donc ça, c'est l'initiation scientifique technique. Ça fait partie des activités qu'on fait ici en classe. Donc ici, en petite section, nous faisons éducation musicale. Nous faisons psychomotricité, c'est l'activité qu'on fait, c'est le sport. Nous faisons du sport, on l'appelle ici psychomotricité. Nous faisons éducation musicale, psychomotricité, nous faisons le langage, c'est-à-dire apprendre aux, enfants à communiquer. Nous faisons le langage ici, nous faisons du graphisme, apprendre aux enfants à tracer, ici en petite section, on les apprend à tracer, donc on a appris le point, le trait vertical, le trait horizontal et le trait oblique. On, est au trait oblique maintenant. Donc on fait le, graphisme, on fait éducation morale parce que les enfants, on les apprend on les apprend l'éducation morale pour avoir le savoir-vivre. Donc il faut savoir dire bonjour le matin, il faut savoir dire bonsoir le soir et il faut savoir dire merci et il faut savoir dire s'il vous plaît. Parce que s'ils veulent faire pipi, ils me disent, maîtresse, je veux faire pipi, s'il vous plaît. Et après, ils disent, merci maîtresse. Donc ça fait partie de l'éducation morale. Les bonnes habitudes, on les apprend les bonnes habitudes. En début d'année, on, apprend aux enfants euh, les bonnes habitudes. Donc euh, on fait aussi éducation sanitaire. Par exemple, euh, on leur apprend par exemple, comment, on se brosse les dents. Ça, c'est l'éducation sanitaire. On les apprend aussi euh, les, la façon d'entretenir notre corps. on les apprend aussi à, faire, à entretenir les cheveux. Tout ça, là, c'est l'éducation sanitaire. C'est l'éducation sanitaire. Voilà. Donc, on fait aussi du compte, compte. Ici, on fait compte, graphisme, éducation musicale, logico-mathématique, langage, tout ça ce sont des, activités parmi tant d'autres qu'on fait ici en classe. Mais aujourd'hui, les enfants ont fait éducation musicale, logico-mathématique, initiation scientifique technique et ils ont fait langage en se présentant. Donc vous avez vu, les enfants se sont présentés, ils ont dit leur nom, leur âge et ils ont dit la session et le nom de l'école. Le programme qui est là, c'est un programme journalier euh, c'est un programme qui, peut changer. Donc j'ai mis là-bas l'emploi du temps. Donc nous avons là-bas l'emploi du temps. Donc tous les jours, euh, on, a des activités qui se diffèrent. Chaque jour, on a des activités. Donc on a ici là-bas aussi une euh, planification mensuelle. ce qu'on doit faire, ce que je dois faire durant le mois, les activités et tout ce que je dois faire durant, le mois. Tout à l'avance. Voilà, tout, tout ce programme à l'avance. Donc j'ai mis là-bas au tableau la planification mensuelle du mois de février. Et là-bas, vous, voyez là l'emploi du temps de la petite section 2022-2023. Merci beaucoup, Madame Diallo, pour cette euh, présentation. Vraiment, euh, on est séduit. Voilà, euh, on est fasciné aussi par la qualité et la rigueur de l'enseignement. Certes, c'est la petite section, mais avec une très belle organisation. Donc nous disons merci à Madame Diallo d'avoir euh, accepté notre invitation de venir ici euh, l'accompagner euh, dans le cours qu'elle fait. sur ce, donc il est l'heure de la récréation. Nous savons que l'enfant ne peut pas tenir, donc on est obligé de quitter les lieux pour que les enfants puissent prendre leur bouteille. On va aller dans l'autre classe pour voir maîtresse Awa, elle aussi. Elle va nous tenir sa classe et nous allons suivre, Inch'Allah. Merci. Donc je profite de l'occasion pour remercier vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre responsable moral. Et nous remercions aussi euh, M. Diaye, notre directeur, qui ne ménage vraiment aucun effort vraiment pour la réussite de, cette école et pour, mener à bien notre devoir. Vraiment. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup pour la réalisation. Merci à vous pour l'accueil, merci à vous pour la disponibilité. Euh, on continue le circuit, on va voir Maîtresse Awa euh, d'une minute à l'autre, Inch'Allah.